fada, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Da fatan kuna lahiya duka inda wannan shirin zai tarda ku. Amuna mu na fada tana yiwa kaman ni kun ga list list na yan takarar da ke neman hawa babban kujerar wakilta ɗaliban jami'ar Abdul Mumuni. To, ni dai bisa kan abinda na gani sur les réseaux sociaux pour cette année, j'ai vu trois listes euh, sont en compétition Al Mustafa Bakim Batouré de la Révolution verte et sur la deuxième liste, c'est monsieur Hassan Souley Kadridi Hegel qui gère cette affaire et la troisième liste, euh, c'est Issoufou Garba Di Joli. la campagne fait rage sur les réseaux sociaux. Depuis la semaine dernière, amis et sympathisants des trois candidats qui ont présenté leur liste pour rappel, le Noun est une section de l'Union des scolaires nigériens, USN, organisation syndicale de défense des intérêts des élèves et étudiants du Niger qui a été fondée en 1960 la place qu'elles occupent ces jeunes filles euh, à quel point elles sont impliquées quel rôle elles jouent euh, dans ce processus c'est pour ça que nous avons convié autant de Miss, qui sont une dizaine ici avec nous. On en parle ici même à l'ancien arrêt de bus de l'UAM avec comme invité Zainab, la rebelle, la rebelle ah, Elle est étudiante à FSJP, troisième année carrière euh, internationale. Ça va Zainab Ça va bien. Tu vas bien Alhamdulillah. Elle est euh, à la fac de lettres, art et culture, en licence 3. Ça va

Almoussa Babaki Matoure, Sanouk Razoua. Barka Sanouk Razoua Kuma. To, merci de nous avoir accordé ton temps si précieux, Moussa Dababou Dama. Je vous en prie. <laughs> merci à toi. Merci. Mon attardé de commettre de que wannan tsarin da yake qui régularise au fait tout ça. Nous sommes avec Mahamadou Chiroma. Il est le président de la table de séance. Ça va Mahamadou Ça va très bien. Tu vas bien Ça va très bien. Aiki. bien. Merci d'être là pour répondre merci. à nos préoccupations. L'UNUN dispose d'une assemblée générale regroupant tous les étudiants de l'université de Niamey, ainsi que d'un comité exécutif composé de six membres, dont le secrétaire général, SG Kenan, le secrétaire qui de Kinkaratu, karatu, da et son adjoint, le secrétaire à la presse et le secrétaire aux affaires sportives et culturelles, et je ne sais pas comment c'est ça Il y a aussi euh, le, le SCREP qui est chargé des relations extérieures et des euh, partenariat qu'il doit lier avec le monde extérieur. En dehors de lui, SCTG. Là, da euh, yanda ake cewa euh, la trésorerie. Ah d'accord. Tunda in an yi cotisation eh, <laughs> da wayan sabuwa akwai wanda ke aka kamata ya kula da su. To yanzu kan kin yin kandidat kin su tarro mu anan ga zan mu hara da tambayar mu ta farko. Komiti kai zan tambaya. Mahamadu Chiroma, expliquez-nous un peu le processus de ces élections. Comment ça se passe brièvement Ok, de mhm. façon très brève, euh, c'est un processus qui

bilancinsu bancin wannan yanzu abin da aka yi cikin wanga sari shine a cira waɗanda suke so su aje takara yanzu akwai waɗanda suke ajewa wajen kwamitin zartarwa su ga list list suke ajewa kenan bana muka samu list uku wanda suka aje bancin wannan abin da za mu yi na harko wanda muka yi na harko bancin eh, amsa kandatarkin su shine mu yi musu presentation su gaya mu baz ga abin da suke so su yi in sun samu iko ok kenan da yanzu kai deja an ka samu manda ba ka kara dawowa ba ba wani shagon manda manda manda cikin esn kana iya manda biyu a kana iya biyu guda za ka yi sannan na biyu za ka yi cikin section guda kowa ma na iya zama kandida kowa na iya zama amma akwai wayansu sharuda wanda ya kamata a yi eh. kenan horkon shi ne ya kamata a ce inscription kinka na ajo mm. bancin shi maintenant ya kamata kai ka zama eh, abin nigerian in kai ba nigerian ba ko kai etidiyan ne baka da incin zauwa a zabe ka na uku shine a cewa shi etidiyan cin ya san mahimmancin organization cin ESN ko ya taba zama il sait il sait il sait c'est quoi il sait c'est quoi l'ISN il est imbu de l'idéologie qu'incarne l'ISN Merci bien. Euh, Monsieur Mamadou, les filles, je reviens vers vous. Euh, là, on va parler de l'ambiance un peu. Vous savez, quand on dit élection, machin truc, des fois, ça euh, ça se passe pas bien. L'ambiance est parfois électrique, il y a des petites tensions. Est-ce que chez vous c'est pareil dans ce Niger en miniature ou euh, ici tout est rose Zainab euh, Merci Ravi de m'avoir donné la parole. Merci à toi. je me dis que tout n'est pas rose. au sein de l'université, on gère nos tensions. Donc c'est ça la différence. On <laughs> gère, Vous tensions. On, gère nos tensions à huis clos à, huis l'interne. Donc on est des étudiants, on hein. se comprend entre étudiants. Donc c'est ça la différence. Mm. Euh, ça va, euh, ça commence. Euh, très bien, si je peux le dire. Mhm. Euh, on constate que les gens, c'est-à-dire les étudiants, euh, il y a le respect qui est là. On se respecte entre nous et je me dis tout simplement que tout ira bien. Concernant les camarades filles, Ok, d'accord. Euh, Mustafa Saba ya kake? Ya yi To kan mizan can a ɗaya ya zo? Wi, Hegel la. Okay. yawa to Hegel ya iso a cikin su da mun nace muku hada Hegel a cikin su to gashi ya iso <laughs> sanu da zuwa ça va tu vas bien alhamdulillah Dieu merci super ben on a deux candidats sur cette fada al Mustafa euh, je viens vers toi ina so in sani ya ne kake shin kai wannan election kin mine ne kake dauke da shi to euh, na gode biskan wannan tambaya da kuka yi mini mhm. mun zo muna cikin wannan harka ta takara saboda mu gani menene za mu kawo wa mu ma mu ba da ta mu eh, contribution mu gyara harkoki abu yadda yake wakana a san wani irin canji ne ya kamata a kawo saboda abubuwa su gyaru a nan jami'a mutane su zo su yi karatu yadda ya kamata abin da suka zo nema wato ilimi su same shi cikin hanya yadda ya kamata kuma mu san yadda za mu yi mutane 'yan jami'a wa'annan su rayuwarsu ta gyaru saboda duk kwamba inda ake na a gani ne ya ne ilimi da ake nema mutanen da suka zo neman ilimi za su samu shi yadda ya kamata kuma ya mhm. zamanto cikin neman ilimin nan nasu harkokin rayuwarsu da su president ya muku zancen harkar burs da ed social da transport na eh, kamar wato motoci wanda suke doka etudiant suna kai su suna kawowa mhm. kinan duk wannan abubuwa ne wanda ya kamata a diba a san yaya ne gwamnati za ya biyan bukatun ɗalibai wanda suke a nan jami'a kenan mu eh, mun zo ne mun kawo tamu takara mun kawo tamu candidature mm-hmm. mu shiga takara saboda mu gani yan jami'a abin da zamu mu iya canzawa yan jami'a su ji daɗin rayuwarsu ya zamanto harkar neman ilimi an ba ta muhimmanci a cikin kasar mu ta Nijar. To, Hassan Sule eh, c'est le deuxième candidat, euh, c'est la, la deuxième liste, voilà, il deuxième représente la deuxième liste. Ina so in sani cikin abubuwan da suke Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur D'abord, très sincèrement, merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole. Dans le cadre de ce combat que nous venons d'engager, notre euh, champ de bataille connu de tous, c'est le problème académique. Et nous avons fait d'abord ce... nous avons fait d'abord ce travail sur nous-mêmes. Nous avons créé toutes les conditions pour que tous ceux qui doivent aller avec nous soit des camarades dont on ne peut rien qu'à reprocher de leur académie d'abord. Ça, c'est un premier signe. Le deuxième signe, nous, nous avons fait nos preuves dans le cadre du combat que nous avons fait pendant deux ans. Nous n'avons jamais eu de, de soucis directs avec ceux qui règlent les problèmes académiques parce que nous avons entretenu, nous avons entrepris une démarche que nous avons appelée participative. Mhm. Entendu par là, nous participons directement dans le cadre des prises de décision. Et c'est que nous comptons effectivement améliorer, consolider et avancer. Et dans le cas précis également, notre souci est de faire tout pour que aucun problème, le, règlement d'aucun problème ne nous amène à toucher l'académie. Merci bien. karatu da ya tafi daidai ba a yasan perturbation wannan modar a tout bout de champ lui c'est vraiment son cheval de bataille fada ayo, non jamais. jami'ar abdu mun ka dora ta a are da bis tsoho are na bis nan muka zo muka dora wannan Tara, yau dan mu hira tare da wa'annan ɗaliban da ce takarar nasu uku wanda suke nan suna neman wannan kujera ta wakilta yan takarar jami'ar abdu qu'est-ce qui se passe comment ça se passe pour mieux comprendre ce processus mais aussi comprendre la place qu'occupe la jeune fille dans ce processus quel rôle vous jouez je reviens vers vous les filles parce que les sikena na ganesu na ma adiko na yi ma adiko expliquez moi comment comment on en est arrivé là Qui va in aka diba shekarun da suka huce mm. da shekarun yanzu mm-hmm. za a ga abubuwa sun sake. Shekarun baya talibai eh, 'yan mata ba su shiga harakokin sandika. A ah, kwata-kwata ma. Ba su shiga. Me a yau za a duba sun gane cewa komi bai iya tahiya daidai sai mata sun shiga sai an dama da mu. Aka diba za a gani abubuwa sun sake yanzu suna taya har su ɗauki ma parol su yi magana sun gane aka diba ma cikin eh, faculty faculty sai a gani an samu shekara da ya wuce kandida mata waɗanda sun kai firezanti kenan za mu sa ran za a samu canji nan gaba mata su fara tayya a enu nikin kenan su fara eh abu komi sannu sannu ne okay sannu sannu ne sannu va tout sannu mais ça ça va. Halima, ça va Ga me sa abin ke tahiya? Lantama lantama comme elle l'a dit là. Eh bon, ni na ce abin yana tahiya sannu sannu saboda taya mu ne ba ai. En réalité, taya mu ne ba ai. Me yasa na ce taya mu ne ba ai? Me pourquoi na ce ba a taya mu saboda yau ko kun fara, mace muka fara su suke ce muna impliquer le genre. Mais malheureusement aujourd'hui, in ya mace ta tashi ta ce délégation za ta tahiya ko wani club zata ta tahiya. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent encore avec l'aide de nos consorts pour nous combattre. Donc dole ne in ce taya mu ne ba c'est pourquoi je dis, moi, il faut joindre à l'acte à la parole. Inkoukatché, vous voulez nous impliquer, aidez-nous à aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous manque réellement. Quelqu'un déjà un on se soutient pas trop. vous, euh, Mohamed Chiroma, vous allez me répondre. Expliquez-nous ce manque de soutien. Euh, to na wanga tambaya yanda hodi. Mm kun san muka ce ai mu namu organization ta yake saman saruka da yawa kuma takardun an rubuta san aje kuma aiki ake da su an matan ga wanda kace kike gani yanzu ba wanda akwai wani aya wanda ke hana su su shiga wanga takara ko su shiga su su ci gaba plutôt qu'il y a des partis des textes qui encouragent plus à les intégrer dans la chose syndicale et à faire en sorte qu'elles puissent plus aimer le syndicat donc kaman yanda ake hodi mais dans la <laughs> la pratique, c'est pas, ce qu'il faut savoir, eh. c'est que c'est l'organisation qui est aussi forte que le moral des uns et des autres doit s'accommoder à l'organisation. Si elles veulent intégrer, elles ont la capacité d'intégrer. Et ce qu'elles sont en train de dire, j'aimerais faire de, un, petit rappel historique au nom de, de, nos anciens qui ont géré les tables de sciences. Les camarades filles se présentent. Et il y en a eu qui, sont, qui se sont présentés à l'UNUN et qui ont résisté à la place AB et au débat du choc c'est une formation. Il faut que, comment duniya fa ba a cewa komi dan aka ce mace ce kawai abin a dauko a bata tun da mace ce ba haka bane mu organization mu saye ce saboda shi ake critique ai auto critique saye ce kaman in an gane kana da laihi ko kina da laihi formation commando ne ofet dole ne sai kin mm. samu nivo kin nan ba a barin kije a ce kije ki ki defendercin mutane ko wani ya zo ya yi wani kara samanci tunda an san karhin gwamnati gwamnati tana iya samun mutane wanda za a zauwa a dauki eh, representancin ai montai saman shi ai kara saman shi tunda ya yi lansan wani movement wanda on voit un peu plus clair donc les filles elles doivent juste être plus fortes vous serez là à leur côté si elles sont plus fortes D'accord. <laughs> Bonjour, monsieur Issoufou Garba. Bonjour, madame. Là, on a notre troisième candidat qui vient juste d'arriver. On aimerait bien savoir, monsieur euh, Issoufou Garba, qu'est-ce qui vous motive à, foncer dans cette aventure Merci, mesdames, et merci à tous. Et donc, euh, effectivement, vous avez posé la belle question. Mhm. il s'agit de ce qui nous motive à faire ou à continuer ce combat qui n'a pas débuté aujourd'hui. Euh, c'est qu'effectivement, euh, comme vous le savez, en cas de période électorale, nous, nous avons porté euh, notre combat sur le slogan de l'union fait la force, parce que il s'agit de l'ensemble de tous les problèmes de l'université qu'il faut exposer et par la suite proposer des solutions à ces problèmes. Dans l'espoir qu'une fois les étudiants unis, nous allons travailler avec les partenaires l'ensemble des partenaires de l'université, eh, les étudiants, les PAT, eh, les enseignants et le gouvernement surtout, pour faire en sorte que chacun apporte sa pierre à l'édifice. D'accord. Donc, candidat liste 3 ya vous allez me proposer une chanson laquelle de musique qu'est-ce que vous voulez l'heure est grave hmm. donc on va mettre l'heure est grave de Zainab la rebelle et on se reprend juste après Amis de la l'heure est grave les criminels en tenue l'heure est grave ils tuent des innocents sans défense l'heure est grave le campus a été fermé, l'heure est grave. J'ai dit l'heure est grave, ah, merde, l'heure est grave. Plongé dans un monde pourri, c'est les peuples qu'on victimise. Ils nous massacrent de trop et nous font un bain d'injustice. Mais où es-tu la justice Revendiquer ses droits à ce que je sache n'est pas un crime. Ils connaissent pas la valeur d'un étudiant dans un pays. Ils respectent pas les enseignants, les élèves, les étudiants. Traitez-nous de balou, traitez-nous de soula. L'histoire en parlera, j'ai dit traitez-nous de tout ça nous de tout ça. Maman, où es-tu Tu vois des gens qui veulent nous tuer comme des ennemis. Étant des étudiants, nous on cherche ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ça va mal, mal, mal, oh mon Dieu, regarde, ça va mal, mal, mal, et mal. Ça va mal, mal, mal, oh mon Dieu, regarde, ça va mal, mal, mal, et mal. Le récap, le le 10 avril 2017, Dieu nous n'a pas fait une marche, mais police, gendarmes sont à la porte. Marche par les collégiens, marche faite par les lycéens. Lance des gaz lacrymogènes, rentre dans la cité pour faire sortir tous nos camarades. Ils ont fermé le campus, ne fermez pas le campus, fermez le Niger si vous voulez. Quatre de nous nous ont quittés, 62 sont très blessés, les 50 sont détenus, 16 personnes dans le coma. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on vous a fait Merde à vous, merde à vous, on en a marre, merde à vous est-ce que vos préoccupations seront vraiment prises en compte Halima moi je dirais que c'est bon nos préoccupations ne sont pas prises en compte à, la totale à 100% oui parce que retenons que dans cette phase on est nous sommes celles qui qui se fatiguent le plus celles qui font le le, plus de travail OK oui parce que ce sont les candidats ils doivent se préparer c'est que s'en suit Aujourd'hui, si on ouvre les campagnes, la majorité, c'est nous les filles qui sortons, c'est nous qui défendons ces listes-là. Et dans tout ça, là, moi, je me dis que on a jusque-là une commission qui est destinée à la femme, qui est la commission des affaires féminines. Une seule Une seule commission. Ouais. Qu'il n'y a que des femmes. C'est avec peut-être ces dernières années, on a commencé à avoir des femmes qui occupaient la COSAF. Et ça même, c'est en minorité. Et si on ah, prend... Vous n'accédez même pas aux commissions, en fait. Euh, ben, ok, euh, pour ajouter à ce que Halima vient tout juste de dire, on constate que lorsqu'ils parviennent, peu importe, euh, lorsqu'ils parviennent, ok, ces mêmes mhm. camarades sont souvent violentés par les éléments de la CASO. Ah, Parce ah, que, que vous avez soutenu là Pas forcément. On peut soutenir un candidat et le candidat peut échouer et l'autre candidat parvient. Donc du coup, euh, c'est que nous observons surtout les camarades filles, c'est souvent des règlements de compte. Quand moi j'ai soutenu par exemple X candidat ou Y candidat, il parvient pas. Je suis dans ma chambre à minuit à 1h du matin, on vient, on débarque, on, euh, on envoie des camarades des, éléments de la CASO pour venir me faire sortir de ma chambre pour la simple raison que j'ai pas soutenu cette logique ou disons ces candidats. Donc vous voyez, les camarades filles souffrent beaucoup. Euh, je... Oui. Okay, Parce que n'ai pas soutenu la logique ou le candidat. Après ça, il y a aussi ce que les candidats font, qu'ils doivent arrêter, monter les filles, les camarades filles contre les camarades filles. Parce que moi je suis dans X logique, toi tu es dans Y logique. À cause de ça, on se parle pas. On se voit, on s'insulte on, se, on attaque les réseaux sociaux. Moi, je, défends ma liste et je t'insulte ouvertement, publiquement. Et je me dis tout simplement qu'on a un seul intérêt qui est l'intérêt général, qui est de défendre les intérêts de l'ensemble des étudiants, pas X ou Y, mais c'est l'ensemble des étudiants. Et je me dis bien qu'on doit s'unir pour défendre ses intérêts. On doit arrêter parce que la dernière fois même, j'ai vu des camarades filles qui ne se parlaient pas parce que l'autre était dans l'autre logique et l'autre était dans cette logique, etc., etc. À cause de ça, à la place AB, à la place AB, les candidats entre eux, ils se comprennent. C'est nous. Ah, entre, les candidats, ils se comprennent. Je vous dis, c'est comme si, je m'excuse, c'est comme si euh, on fait, on, ou je sais pas quoi dire la politique. L'équipe senior, quoi. vous voyez, vous comprenez. Non, je suis vraiment désolée. On doit arrêter ces genres de pratiques au sein de l'université. On est des étudiants, on est des frères et des sœurs. C'est une maison pour nous. on a un seul intérêt, un intérêt en commun qui est l'intérêt des étudiants. L'intérêt général, des étudiants. Ben voilà. Donc, Ami de la FADA, namu na fada ga muna jami'ar abdulmun yau na muka dora fadar mu tare da zainab larobel elle étudiante ici même euh, carrière internationale take nan ga yi adum ici mahamadou Oumoukaltoum, al Moussafa Bakim euh, Mahamadou Chiroma, président de la table de séance. Nous avons également avec nous monsieur Hassan Souley Kadri Hegel. Lui, c'est le candidat de la liste 2. Euh, le candidat de la liste 1. Et monsieur Issoufou Garba de la liste 3 mun tattaro kandida kin ah, wanda suke cikin wannan takarar da ɗaliban nasu wanda suke so su ma aiki mu hira tare da su to yanzu zo ka tambaya ta ta karshe fuskan wannan shirin wala quels sont vos attentes qu'est-ce que vous attendez da waɗannan wanda ta samu wannan kujera ta wakilta ku me kuke jira da su eh, je me présente Yao Nyablon et Kuka Ulfatou okay. étudiante au département d'anglais L3 euh, en ce qui concerne nos attentes, vraiment, euh, on espère qu'ils vont faire une gestion plus claire, euh, plus concrète, de pourvu de toute euh, subjectivité, qu'ils travaillent euh, pour la grande base, comme ils le disent dans leur discours, dans leur trucs truc-là, comme dit, l'homme est, un beau parleur. Ah, <laughs> ah. On comme c'est des hommes, elle dit que vous êtes des beaux parleurs. la Non, avec petit H. Ah, c'est toujours le même refrain. Hein. On espère que la, la parole va se joindre à l'action. Et moi, personnellement, Personnellement, moi, j'attends vraiment à ce qu'il y euh, ait vraiment concrètement une implication de la gente féminine, comme ils le disent dans leur programme. Que vraiment euh, la fille soit impliquée autant dans le syndical que lors des mobilisations. Parce que c'est lors des mobilisations, c'est quand ils veulent, c'est en ce moment qu'ils nous approchent. C'est en ce moment ils savent que nous avons des idées. C'est en ce moment qu'ils savent que nous existons. On a une influence. Mais lorsque la question, question du syndicat en tant que tel euh, vient, on nous met à l'écart. On dit que nous sommes faibles, nous sommes ceci, nous Nul n'est faible. Nous sommes tous forts. Personne n'est faible. C'est lui qui aura la chance. Moi, je me dis qu'il est temps à ce qu'on revoie les tests il est temps à ce qu'on impose à chaque tandem d'amener une camarade fidèle à la liste. Il est temps. Parce que voilà. il y en a, y en a vraiment, il y en a beaucoup de postes qu'une femme peut gérer, de la même manière qu'un homme peut gérer un poste. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très dynamiques, qui peuvent de la même manière gérer le poste que les hommes. Si on impose, ils seront obligés de faire former des camarades filles à leur côté parce qu'ils savent que dans la démarche, ils vont partir avec eux. Ok, d'accord. Donc il faut que ça soit. SG, secrétaire général du comité exécutif de l'Union. Merci. Ok, on revient au candidat. Je commence avec vous. Euh, Monsieur Hassan. Uh Monsieur Hassan. Hegel. Oh. Euh, merci beaucoup. Vous avez entendu ces préoccupations Oui, nous avons entendu les préoccupations des filles. C'est tout à fait normal c'est tout à fait normal. Et concrètement, euh, moi je pense que déjà, je dois vous avouer que moi je suis marxiste, mais à la méthode sankariste. Toute révolution dans laquelle, tout mouvement dans, laquelle, lequel il n'y a pas de femmes ne peut aller très loin. Ça a toujours été ma philosophie. La deuxième des choses, je me suis toujours défini comme étant féministe. Je suis le seul syndicaliste à l'université qui prend le risque de dire il est féministe. Et je le dis et je l'assume parce que je suis l'émanation d'un milieu où je sais ce que vit la femme, ce n'est pas du tout humain. La troisième des choses, c'est j'ai été élu. Actuellement, je suis secrétaire chargé à la presse. J'ai été élu en grande majorité par les filles et elles ne peut pas me dire le contraire. Chacun dit d'ailleurs que ma liste est la liste qui a plus de femmes et c'est vrai. Pour dire que je ne peux pas être ingrat, et vouloir du mal à la femme. ça c'est. j'ai bien regardé ta liste, hein. Euh, oui. Mais j'ai pas vu le foulard au fait. Justement, <laughs> c'est tout à fait normal parce que aucune fille ne s'est proposée et c'est donc je ne peux pas forcer. J'aurais voulu, j'aurais voulu, et Dieu le sait, j'aurais voulu qu'il y ait une femme dans ma liste. D'accord. Ceux qui disent que les syndicalistes n'ont pas un regard particulier sur la femme, je crois que moi, le regard que je refuse particulier, c'est le regard sexiste. Moi, je voudrais assez que la femme s'affirme comme, comme n'importe quel autre être humain de ce monde. al on revient à toi. D'accord. Uh -huh. euh, merci. Euh, magana euh, aiki tare da abokanmu 'yan mata cikin wannan harkar tahiya ta sandika mu muna ganin abu ne wanda tun can farko ma da muka fara muna yin shi kuma abu ne wanda za mu ci gaba da yi akwai abokin mu wadda mun ta taba zama kandida cikin list inda muka yi uh-huh. ana ce mata aishatu wadda yanzu kin ma shi wannan mm. ya yi zancen el kunama ana ce mata el kunama mun taba ta tare 'yan mata da yawa wanda muke kama masu su tafi cikin delegation bebisha na san kun san bebisha mhm. bebisha shekara da ta wuce mun kama mata saboda ta zama eh, dekak a nan faculty ta letter amma abu allah bai so ba me abu ne wanda ba mu ja da baya kullum za mu ci gaba mu gani ya ne 'yan mata za su shiga cikin wannan taya mais il faudrait dire une chose les camarades filles doivent savoir que pour euh, en tout cas intégrer le milieu syndical il faudrait avoir un moral d'acier il faudrait se dire que, euh, bon, peut-être c'est tout à l'heure, le président a parlé d'un milieu de choc d'idées, d'un milieu dans lequel on peut faire face à tout, à des pressions, à des trucs. Donc pour intégrer euh, vraiment le syndicalisme, nos camarades filles euh, doivent accepter de se dire que c'est tout comme les hommes, elles peuvent agir et puis intégrer ce, milieu, faire du syndicalisme, mais il faudrait avoir un moral d'acier, mhm. savoir que les critiques, des trucs, c'est des choses qui vont venir, mais quand même, on peut s'y porter et aller de l'avant. Donc nous, à notre niveau, euh, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma présentation même, les camarades filles, on va créer les conditions de voir comment vraiment les accompagner, pas euh, faire d'elles seulement des délégués à la CAF, à la commission etc. Comment su san abin da suke so zainab ta yi zancen harkar kazo da abuwa kun san dukkan dida ya kamata san da cewa ita mace mutum ne kama kowa yadda muke su ma haka nan suna da durwa amma akwai particularity ta mata kenan dole kandida in bai san da ba mace akwai particularity nan kuma bisa wannan particularity in ba su ba wani bai iya sani dole donc elle a le droit d'avoir son opinion à elle aussi hein. ah, effectivement hein, donc pour le candidat a euh, monsieur Issoufou vos camarades filles, euh, vous les avez entendues, vous avez entendu leurs préoccupations. Elles ne veulent pas être en retrait, elles veulent être prises en compte, elles veulent être à vos côtés et mener cette lutte avec vous. Merci. Euh, d'abord, ce qu'il faudrait comprendre autour de la femme de façon générale, c'est un combat historique. ce n'est pas seulement ici, s'il vous plaît. Euh, ce n'est pas seulement ici, d'un point de vue même mondial, euh, la femme, elle a toujours été mise en marge. Donc, c'est un combat que nous devrons collectivement mener. Et quand vous regardez au niveau de l'USN, je pense qu'il faut éviter de personnaliser les combats que nous menons tous. Sinon, euh, nous aurions plutôt dire qu'aujourd'hui, euh, nous pourrions nous flatter de dire que actuellement la seule camarade qui a été élue, c'était sous notre propre initiative que sa candidature a été déposée et c'était nous qui nous avions, euh, qui nous étions battus pour qu'elle soit élue. Mais cela, nous pensons que c'est un combat que nous devrons mener sans qu'on prenne euh, la part, on appelle ça, l'appartenance à une ou une telle liste. Et ce qu'il faut savoir au-delà, nous avons quand même eu le soin de, programmer de notre, lors de notre présentation, nous avons dit que nous prévoyons une révision des textes pour protéger la camarade fille. Ça, c'est une chose que nous avons énumérée lors de notre présentation. Mais nous pensons que ces combats, il faut que nous le menions ensemble. Si chaque candidat va se rétranger pour s'inscrire dans une philosophie, une petite philosophie personnelle pour dire que voilà ce que moi je compte faire, voilà ce que je compte faire, on n'ira pas quelque part parce qu'il risque de se limiter autour des filles qui les soutiennent. Alors que le combat qu'il faut mener, c'est un combat général autour de la femme, pour accompagner la femme. Je ne suis pas féministe, moi je suis égalitariste. J'aime bien l'égalité, je ne défends pas que la femme. Vous comprenez mm. Eh bien, la femme, elle doit mériter ce qu'elle cherche. Mais il faut qu'on l'aide à développer ses capacités. J'ai dit, j'ai l'habitude de dire, la femme, c'est une source de valeur. Mais c'est une source à exploiter. Aujourd'hui, beaucoup de camarades, quand on part à la fac, elles ont des 18 sur 20 pendant que nous cherchons 10 pour valider. Vous comprenez Ça veut dire qu'elles peuvent être plus intelligentes que nous, mais si cette intelligence n'est pas exploitée, elle ne servira à rien. Donc je pense qu'elles doivent elles-mêmes prendre conscience. Et ce que Zainab vient de dire est très important. Il faut qu'entre elles, qu'elles arrivent à faire taire ces différences. J'ai l'habitude. Je pense que, je pense que c'est ça le fondamental. Il faut que nous nous initions pour engager ce combat. Et la question du quota, ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça risque même de limiter la femme. Parce que si aujourd'hui il peut y avoir une grande majorité des camarades filles qui peuvent aspirer à diriger, soit de façon élective ou nominative, et qu'elles s'inscrivent dans une logique de quotas, elles risquent de se limiter. Et on peut aussi arriver par le quota à promouvoir la femme qui ne devrait pas être là où eh, elle s'installe. Aujourd'hui, quand vous partez à l'Assemblée, on sait bien qu'au Niger, il y a des femmes qui sont plus représentatives que certaines femmes qui sont à l'Assemblée. Mais comme c'est une histoire de quotas, c'est les femmes parce qu'elles-mêmes, elles, se dépassent entre elles. Il faut reconnaître les mm. femmes, elles-mêmes, comme nous les hommes, on pense que nous nous dépassons les uns des autres, même entre elles. C'est un classement. Monsieur Issoufou, merci. On voit clairement que, en fait, euh, ces candidats qui sont avec nous, euh, en tout cas, ils le disent bien. On attend de voir la pratique maintenant. Mais voilà, on arrive à la fin de cette première phase. Euh, de Chronique et on se dit officiellement au revoir sur cette émission. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Cette semaine, l'actualité qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux est l'information partagée par l'influenceuse Zubey Berton Maman Dansoussou. Une information dans laquelle l'internaute lance une demande d'aide à l'endroit des responsables étatiques, commerçants et ressortissants de la région de Maradi. Cet appel d'aide a été publié en faveur du petit Youssouf Zabeirou, âgé de 7 ans. Il disait ceci dans le poste. Youssouf Zaberou, âgé de 7 ans, n'est pas un monstre comme le considèrent les petits-enfants et certains dans son village. Il est tout simplement atteint d'une anomalie au ventre qui est en train de lui voler toute son enfance et met sa santé et sa vie en danger. Pour rappeler les conditions dans lesquelles il a eu l'information, l'internaute précise c'est lors d'une inspection de porte à porte sur la cartographie que les agents de l'INS, Institut national de la santé, l'ont découvert dans un état très critique et triste. Issu d'une famille extrêmement pauvre dans le village de Doudoua, la commune de Kouna à Maradi, la seule assistance du petit Youssouf reste et demeure sa famille qui, selon les témoignages, sont très pauvres. En légende, on peut voir l'image du petit Youssouf traînant sa maladie devant lui. Eh bien, amis auditrices et auditeurs, quelques heures après la publication de ce post, plusieurs pages ont relayé l'information et finalement est devenue virale sur le réseau social Facebook. En fin de journée, une autre information, cette fois-ci beaucoup plus positive, a été relayée sur la page Facebook L'œil nigérien. Salam, à l'instant, nous avons l'évacuation de Youssouf Zabeirou depuis son village de Doudoua sur le CHR de Maradi. Cela a été possible par la grâce d'Allah, vos partages et les ordres formels du ministre de la Santé. Qu'Allah vous bénisse, bénisse notre pays, le Niger et à accorde la santé à tous les malades. Amin. En tout cas, cette fabuleuse histoire de Youssouf Zabeirou nous rappelle que les réseaux sociaux sont également un moteur de solidarité et on peut bien s'en servir si on le veut, bien sûr. C'est la fin de la chronique de ce soir. À demain pour une nouvelle chronique. Et comme toujours, chers amis, paix, lumière, amour sur vous et que cette belle histoire nous inspire afin que nous puissions utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien autour de nous. kun shi dai amma fada wannan tahiyar dai ta takara dai ta nan eh, jami'ar abu mu ne ana ana ana tahiyar da ita kuma ba mu shi ba dai wani tashi tashin hankali dai selon ces candidats dans ce processus même si on n'a pas de foulard euh, sur euh, les photos des listes là, les jeunes filles seront pas écartées et je crois qu'elles ont pris note